il est l'heure. On tourne à page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Ukayesi. Barkaji modon e wonta golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. mercredi 17 janvier 2024, il est 11h à Niamey et partout au Niger. Bonjour chers auditeurs du Niger sur Kalangu, très ravi de vous retrouver sur cette émission. Vous êtes en compagnie de Rabia Mekano et Ali Moukaila Ousseini pour la présentation. Seino, comment vas-tu ce matin Je me porte bien, ravi. Déballons le programme à nos auditeurs. Comme d'habitude, nous aurons le flash d'informations, la rubrique hebdo environnement du mercredi, l'écho des régions qui nous mènera à Difa, plus précisément dans un village dirigé par une femme. Sans oublier nos chroniques à page sport et loti de l'équipe femme de la rédaction. Eh bien, Rabi, l'entretien sera axé sur la situation environnementale du département de Gauté. région de Tilaberi. Ça sera avec le directeur départemental de l'environnement. Big up à Mustafa Ayoub le technicien de l'autre côté de la vitre, et Adama Dawaki qui assure l'édition. Nous sommes avec euh, Nafisa, c'est faux. voilà, pour, <laughs> le flash d'information. Euh, Bonjour, Nafisa. Bonjour à vous, Senro et Rabia. Bonjour à chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu. Alors, bienvenue dans ce flash d'information. Dans une déclaration hier devant la presse russe, le vice-premier ministre de ce pays, Alexis Overchuk, a indiqué que la Russie entendait renforcer sa coopération avec le Niger dans les domaines économiques et commerciaux. C'est à l'occasion d'une visite de travail du premier ministre à Niger Ali Mohamed Laminzen qui séjourne à Russie depuis lundi. Selon le vice-premier ministre russe, les deux parties doivent œuvrer ensemble pour développer des partenariats dans le secteur énergétique, l'agriculture et d'autres domaines. Retour ici au Niger à Difa, plus précisément où le gouverneur de la région a rendu public lundi un arrêté instituant une taxe sur la commercialisation et le transport des produits halieutiques. Cette taxe sur le transport et la commercialisation des produits halieutiques sont fixées selon la quantité de poissons transformés. Selon le gouverneur, la présente disposition a pour but de réorganiser la filière poisson de la région du Difa et permettre à toute la région d'en tirer profit. Dans la zone de Tilaberi, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à SINASEB a décidé de suspendre temporairement ses activités. Les raisons avancées sont les enlèvements et les assassinats dont font l'objet les enseignants de la région, précisément dans le département de Makalondi. À travers donc cette cessation d'activité, ils espèrent trouver une solution à ce problème. C'est la fin de ce flash d'information. Merci bien, Nafissa. À bientôt, auditeurs du Niger sur Kalangou. Pour la rubrique entretien de ce mercredi, nous suivrons un entretien sur la situation environnementale du département de Gotei. Une interview du directeur départemental du service de l'environnement qu'il a accordé à notre envoyé spécial Omar Hamma un reportage dans la région. oui, euh, Rabi, avant, euh, déguisons ensemble le titre Unité du groupe de rap For My People. C'est parti. dans la main pour un meilleur lendemain. Unité, a t'es pas fond, unité. Ouabouda, Oubabouda, il faut qu'on se lève, qu'on parle de paix et d'unité. Mais dans la main pour un meilleur lendemain. Unité, Niafo, t'es pas unité. ou Oubabouda, de l'est à l'ouest, du sud de l'or Je lance ce message à toutes les classes de race, que tu font la paix, autant pour l'unité. L'union fait la force alors soyons soudés et non divisés. Mukamba pour Yaki la pomme Tugasada, la pomme au de Kina. Que tu font tout l'amour, la paix, l'unité. Tel est mon appel à tous mes frères nigériens. Tel est mon appel à tous les gens de l'univers. Hein, Il faut qu'on se lève, qu'on parle de paix et d'unité. Mets dans la main pour améliorer meilleur lendemain, unité. Nia faux, t'es pas faux, unité.

les mains, construisons notre pays pour un meilleur lendemain. de plus normal de l'unité nationale, Unité d'Africa, Unité d'Africa. Il faut qu'on se lève, on parle de paix et d'unité. Main dans la main pour un meilleur lendemain, unité. Niafo, baba pas unité. ou ou babouda, il faut qu'on se lève, qu'on parle de paix et d'unité. Main dans la main pour un meilleur lendemain, unité. Niafo, t'es pas unité. ou ou babouda. le titre qui passe en ce moment va au-delà des frontières. Dans cette chanson, le groupe appelle les Nigériens et le monde entier à reconnaître l'importance de l'unité et ce, malgré nos différences. Oui, Rabbi, un message profondément nécessaire dans ce monde diversifié. My People contribue à la promotion de l'unité et à la compréhension mutuelle. Voilà, euh, on va passer à l'entretien du jour, c'est Exactement, Rabi, le département des Gothées est situé au nord-est de Niamey, euh, à des environs 80 km dans la région de Tilaberi, frontalière avec le Burkina Faso. Il regorge d'énormes potentialités avec ses cours d'eau comme le fleuve Niger et de ses grands affluences et deux de ses grands affluents, tu t'amènes un peu les <laughs> de ses grands affluents, le Dargol et la Sirba. Une richesse pour son écosystème qui aujourd'hui, loin de ses beaux jours à cause de plusieurs facteurs. Plus de détails avec le commandant Ali Kailou, directeur départemental de l'environnement et de la lutte contre la désertification. Il est au micro de Omar Hamma. De manière générale, au niveau de l'environnement, on peut dire qu'il y a une tendance général à la baisse de tout ce qui est ressources naturelles. On n'entend par ressources naturelles tout ce qui est végétation, et tout ce qui est les ressources édaphiques, c'est-à-dire les sols qui sont en dégradation, et tout ce qui est notre cadre de vie et qui est vraiment pollué, des pollutions diverses, que ce soit pollution de l'air, que ce soit euh, par euh, les déchets plastiques ou les déchets solides ménagers. Merci beaucoup. Peut-on parler de la coupe abusive des arbres ici comme ça se passe ailleurs dans le pays C'est vraiment une préoccupation au niveau du département de Beauté et on n'a pas besoin en tout cas d'être spécialiste. Vous voyez que même tout au long du goudron, c'est un phénomène qui apparaît et comme je disais, c'est une préoccupation générale. Cette situation, elle est très récente. Pourquoi Parce que de moins en moins, les agents chargés de la sensibilisation et de la police forestière sont de moins en moins présents sur le terrain. Compte tenu de la situation d'insécurité, vous conviendrez avec moi qu'il y a des zones, eh, entre guillemets, qu'on appelle des zones rouges, où pratiquement au niveau des postes forestiers, les jardins qui sont basés sont maintenant dans les villes. Et même autour des villes, le phénomène apparaît parce que les délinquants, entre guillemets, ceux qui exploitent de manière abusive ces, essences forestières-là, estiment que avec l'insécurité, les gens ne peuvent pas sortir, surtout de nuit, même si c'est derrière, juste à, proximité, dans les environs euh, immédiats des villes. Et vous voyez tout ce qui se passe à côté des villes et sur les, les, grandes voies, sur les goudrons, c'est nuitamment que les gens abattent. Et parfois, sans raison apparente, imaginez, tu abats un arbre, le fourrage aérien en saison de pluie où quand même le pâturage terrestre est abondant. Il y a pas mal d'herbes, tout est vert. On se permet donc d'abattre, de couper des, des balanites pour nourrir des animaux. On arrive à peine à comprendre. Donc c'est pour se dire que c'est comme si les gens se disent ah c'est une revanche. Donc comme ils sont plus là, je fais ce qu'on m'a interdit de faire en temps normal. Et comment vous gérez la situation avec la population et bon, avec la population, vous savez déjà ce qu'il faut comprendre que la politique forestière, de manière générale, la politique environnementale est basée au Niger sur tout ce qui est participation, collaboration de tout le monde. Donc, cette gestion participative des ressources fait que même les textes de loi qui régissent tout ce qui est environnement prennent cette approche-là. Et Dieu merci, on peut dire que le Niger, quand même, on est en avance dans ce domaine-là. Donc, on ne peut appliquer et suivre l'esprit des textes. Donc, associer les communautés au niveau de tout ce qui est gestion de ces ressources-là. Et sur ça, c'est ce qu'on est en train de mettre l'accent pour que quand même on arrive à dominer ce qu'on vient de relater tout de suite là, la coupe abusive. Vraiment, on essaie de, de, responsabiliser les communautés à la base pour leur dire que au moins chacun est responsable des arbres dans son champ. Et récemment, je me souviens, en tout cas avec un partenaire, on a édifié les gens sur euh, euh, euh, vraiment la pratique de la RNA qui est maintenant réglementée et qui donne plus de force aux propriétaires de champs qui, même quelqu'un qui détient, même l'agent forestier, ne peut pas délivrer une autorisation de coupe dans un champ si le propriétaire du champ n'est pas d'accord. Donc vous voyez que, en tout cas, un grand pas est franchi dans le cadre de la responsabilisation des communautés et on pense que la vulgarisation de ces textes-là vont véritablement améliorer en tout cas la protection des ressources naturelles et vraiment réduire en tout cas cette coupe abusive dont on vient de parler. Mon commandant, quelles sont les sanctions prévues en cas de coupe abusive de bois En cas de coupe abusive de bois, comme je le disais, la loi n'est pas restée muette. Il y a des sanctions à travers beaucoup de textes, que ce soit euh, la loi euh, cadre relative à la gestion de l'environnement 92-56, euh, que ce soit la loi de 2004 portant régime forestier qui prévoit à son article 42 une amende de 50 à 500 000 francs et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou l'une de ces peines-là pour celui qui, en tout cas intentionnellement, détruit au niveau que ce soit des périmètres reboisés, que ce soit aussi des arbres à des fins eh, commerciales et qui entraîne vraiment eh, des destructions au niveau de ces arbres-là. Merci bien Omar Hama. Avant de continuer nos échanges, chers auditeurs, je vous laisse accompagner de ce titre intitulé Trahison du groupe Eman Kaya, un groupe de rap de la région d'Agadez. oui Rabbi. faisons un coucou au passage à tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Agadez via la radio Nomade qui nous diffuse en direct. Chers Agadésiens, c'est pour vous. nous rebelle. un moi, je poche sur le mat, le mat. À les Notre nation nationale, je Va pour les papas, on sait. son mou nous enseignons, nous je Nous l'amour, nous l'amour à la jeunesse. Ma transmatrice, il faut comment le max sur podium, Même si c'est dur, comment on le fera. Je me qui j'aime la musique et la guerre, mais je te Le Une force, la du monde, le à travers les médias. à tu que parce que les le monde a on sais pas tu sais qui perdent, mais on quitte déjà le vieux poussière. Est-ce que tu crois que ça fait aller? Oui. Est-ce que tu crois que ça fait marcher? mas My closest parole, le groupe Emankaya met en lumière les pratiques néfastes de trahison qui se propagent au sein des couples, un phénomène de plus en plus présent dans les sociétés africaines. N'est-ce pas préoccupant ces noms Eh oui, c'est de notre génération, Rabi. Pour revenir à la chanson, le morceau Trahison incite à la réflexion sur les valeurs et les relations au cœur de nos sociétés. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Trahison de la formation Eman Kaya depuis Agadez. Poursuivons avec euh, notre entretien du jour sur le département des Gautés dont l'environnement aujourd'hui est touché par les mauvaises actions de l'homme et les effets du changement climatique. Constatez-vous euh, la disparition de certaines espèces d'arbres et quelles sont les conséquences Vous savez, la disparition, quand on regarde ce qui se passe, vous voyez avant, dès que vous sortez aux, abords des villes, c'est presque des forêts denses. Maintenant, à perte de, vue, on voit tout ce qui se passe. Et on a fait une formation euh, récemment avec, euh, avec un partenaire et on a projeté une photo aux gens d'avant et de maintenant. Les gens ont ressorti beaucoup de choses que Ils disent que, ah voilà, ils voient même les champs, la densité des milles, les arbres là, il y a tout autour des villages. En bas, aujourd'hui, il n'y en a pas des mares qui étaient là, qui n'étaient plus là, et vraiment beaucoup de choses. Même le bois, ils disent, ah, avant tu ramasses juste derrière ton village. Maintenant, il faut utiliser des charrettes, des véhicules pour transporter le bois. Et pour revenir aux espèces qui ont disparu, il y en a beaucoup. Et le jour-là, on a profité pour demander aux gens et aux enfants, surtout que c'était des, scolaires, des écoliers, on leur demandait est-ce qu'ils connaissent Sari Donc, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. On demande des espèces que les gens mangent, quoi. Et genre, euh, Vitex donania, Boyi, on oh, oh, les gens ils disent Ah, oh, Haborang, dit Mais ils vont voir ça dans le marché, mais ils connaissent même pas c'est quel type d'arbre qui produit euh, ces genres de, de, de, de, trucs, quoi. Donc, si à la longue, on ne prend pas garde, nos enfants, peut-être que même, même le garbeille, même des, des jarbes à la ils vont pas les voir. Peut-être que les gens vont prendre des fruits d'ailleurs pour les ramener. Ils vont dire, ah, mais c'est quel genre d'arbre qui fait ces trucs-là? Peut-être que nos éleveurs, les gars vont même disparaître, ils vont même plus les, les trucs, ils vont voir les gousses qui viennent d'ailleurs. Ah ça là, ça vient d'où Donc vraiment, quelque chose doit être fait. Et avec nos différents partenaires, on a en tout cas initié la création de pépinières pour les espèces là en voie de disparition. Et déjà, en tout cas, le dossier est bien ficelé et on est en train de demander aux gens les espèces qu'ils aimeraient en tout cas revoir et on va les mettre en pépinière pour que les gens puissent en tout cas euh, commencer à les réintroduire au niveau que ça soit de leur champ et même parfois au niveau des concessions. Peut-on parler des effets du changement climatique ici dans votre genre Le changement climatique est un phénomène mondial. Et pour vous dire que c'est un phénomène mondial, que ce soit les pays pauvres, les pays riches et les pays moins riches, tout le monde subit les effets du changement climatique, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. C'est pour vous dire que tous les domaines de la vie sont impactés. Dans les domaines productifs, c'est-à-dire que ce soit l'agriculture, l'élevage et autres, on sait que les productions sont en baisse parce que la pluviométrie étant en tout cas un des facteurs les plus impactés par ce changement climatique qui se caractérise par une forte disparité dans le temps et dans l'espace. Et inévitablement, les productions vont en pâtir. Et quand on prend au niveau de l'élevage, c'est la même chose, c'est des épices aussi, quand on prend au niveau même du climat de manière générale qui est déréglé, avec des vents violents, des inondations, des sécheresses, et paradoxalement, les gens ils vont se dire, ah mais inondations et sécheresses, et malheureusement le changement climatique c'est ça. C'est des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire, il peut avoir subitement une grande quantité de pluie tombée en un temps record, ce qui fait que quand vous allez comparer des années, une année peut faire, en tout cas ici, on peut dire qu'on est dans les 500 à 600 mm. Donc, une année peut faire 700 mm et avoir une mauvaise production de pluie. Par exemple, cette année, il a beaucoup plu cette année que l'année passée. Et la production de cette année est mauvaise, plus mauvaise que celle de l'année passée. L'année passée où il n'y avait pas eu beaucoup de pluie. Pourquoi Parce que les pluies étaient un peu bien reparties dans le temps. Et cette année, il y a eu une grande poche de sécheresse et le mille avant que les pluies ne reviennent s'est déchécher. Donc, c'est des manifestations comme ça des changements climatiques. Riche entretien réalisé par Omar Hama et merci au commandant Ali Keilou, directeur départemental de l'environnement et de la lutte contre la désertification pour toutes ces informations. Et oui, j'espère que chacun va contribuer en son échelle à la sauvegarde de nos, nos écosystèmes. On n'a qu'une seule terre, alors préservons-la. N'est-ce pas, Rabi? Ah oui, c'est nous. Faisons une petite pause et on revient juste après connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, pour euh, ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes euh, bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co-animée par Rabia Mekano et moi-même Ali Moukela Ouseni. Alors, euh, pour la rubrique environnement d'aujourd'hui, cap sur Agadez pour parler du bilan 2023 des feux de bouche. Eh oui, malheureusement, les feux ont provoqué des dégâts matériels. Une porte une perte de la biodiversité animale et végétale. Mais pour éviter les conséquences néfastes des feux de brousse, le colonel des eaux et forêts, Mahaman, Maman Hamidou, directeur régional de l'environnement et de la lutte contre la désertification, insiste sur une lutte à trois niveaux prévenir, agir et sensibiliser à partir des villages. Anissé Karim pour la correspondance superficie brûlée, qui se chiffre à 19 201 hectares. Ensuite, en termes de quantité de biomasse euh, consommée donc partie en fumée, donc elle se chiffre à 9 552 tonnes de matière sèche. La perte de la biodiversité animale comme végétale, donc tout ce qui est pâturage, tout ce qui est la faune, la petite faune, etc. Nous avons occasionné des pertes de cheptels d'animaux. Il y a ensuite la destruction encore des biens même de ces pasteurs, leur euh, habitation consumée par le feu de pousse. Heureusement, nous n'avons resté aucune perte en vie humaine année au cours de l'année 2023. plus de 192 km réduits en cendres en 2023 dans la région d'Agadez. Cela représente une superficie plus grande que tout le département de Chirozérine ou encore toute la commune de Tunuga à Dosso. Les de brousse ont touché principalement trois zones dans la région d'Agadez, affirme le colonel Maman La première zone touchée se trouve dans le département dagadez constitue un certain nombre de zones de pâturage telles que la zone de Atabo, la zone de Ipa, la zone de et la zone de Zedari, à peu près une quinzaine de zones qui sont touchés au niveau du département d'Arabie pour le cas spécifique du département de Tiroderine, c'est la zone d'Amachel-Ouen qui a été vraiment touchée. Pour le cas spécifique du département d'Arlit, plus précisément de la commune de Bougar, donc il a été enregistré dans deux cas de feu de brousse là-bas au niveau de la zone d'Amassalé et de Tadet. Quelques personnes impactées par ce feu de brousse témoignent de leur inquiétude face aux pertes enregistrées. Akama san wanda ya yi ta ba kawai muka garta ta muke yi ta canye mu mura kanmu ciyawa ce Sai ta canye mu ciyawa ta rubutu da ta toye ba mu san iyakacin ta ba da wurin da ta kamo har zuwa karshen ta gaskiya yana da yawa mu saboda wurin kiwo ne duka daga atambo ficewar shi zuwa adirbisan duka jaha adirbisan kiwo ne mun dogara ga ciyawa wannan ga da allah kuma kenan yanzu da babu wannan ciyawa shekarar ga muna jin tsoro kwarai Le directeur régional de l'environnement identifie une cause principale, l'imprudence quand les pasteurs sont dans la zone de pâturage. Donc c'est surtout il une certaine indulgence donc pour l'utilisation des feux de cuisine, c'est mal éteint, ou bien des feux de thé, donc qui sont pas bien éteints. Il y a les mégots de cigarettes, les passants, effectivement dans la zone, dès qu'ils finissent de fumer, ils jettent les mégots, ils continuent leur chemin. Ce sont les principales causes quand même qui ont occasionné les cas de feux de brousse au niveau de la région d'Agadez cette année. Des solutions urgentes s'imposent pour éviter des dégâts plus importants à l'avenir. Colonel Hamid. Mettre en place euh, au niveau de chaque région un comité régional chargé de la prévention et de la lutte contre les feux de brousse. Mettre un comité de veille qui est important au niveau des villages et des communes dans le cadre de la lutte préventive et surtout encore active de ces feux. Il y a l'intensification des efforts donc euh, de sensibilisation et d'information des populations, tout ce qui est les pasteurs, les populations riveraines de ces zones de pâturage sur les méfaits, les dangers de ces feux de brousse. Comment éteindre les feux de brousse dans les zones dépourvues de spécialistes formés Réponse du directeur régional de l'environnement d'Agadez. Dès qu'il y a un feu de brousse, il n'y a pas de population pour aller combattre le feu. Il vaut mieux utiliser la mécanisation pour ouvrir les bandes par feu, pour minimiser, c'est-à-dire la propagation des feux de brousse au cas où ces feux de brousse se déclenchent. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là la rubrique environnement euh, qui a été réalisée à Agadez sur euh, l'environnement avec le colonel Maman, le directeur régional de l'environnement, Maman Hamidou. Faisons une, un autre tour en musique avec DSD qui nous chante Qui va nous sauver La mère la il comme ça, comme ça, tout à tout un, fait par hasard, par malheur et soir, sur le continent noir. Nous on laissait dans l'ail, traite tout mal entendu la kalachnikov. La spécialité de l'homme est mise à nu et servi tout cru, perdu. Dans un tel continent de témoins, mon âge, compte déjà mes jours. Quand je joue, j'affronte la mort, pour éviter cette nuit et l'aurore. C'est pas, c'est pas sûr, avec cette pluie de but. On est côté de début, ce soir, je fais maintenant, vous n'avez rien suivre. On était là, famille de mais unis. On ne se plaint pas, quand trouvait le bonheur dans notre malheur. Jusqu'à l'heure éclata, c'est que nous fut plongés dans l'horreur. La rébellion qui couvre éclate, éclate, tel le volcan volant, d'enfants innocents leur vie. Il fallait fuir, se disperser pour échapper à cette tuerie. Mon père, ma mère, ma soeur et mes frères, ont-ils encore vivant mort Je ne sais leur sort. Vers la frontière, j'ai cours, sans arrêt pour échapper à l'enfer de la guerre. Aidez-moi, aidez-moi, je suis un réfugié, ouais. Aidez-moi, aidez-moi, je suis un réfugié, Qui va nous sauver, Afrique, fait uh-huh. On est trop fatigué, vraiment on va se regarde, tu vois, ici on joue à celui qui fera le plus de dégâts, celui sera le plus qu'un paria. Tant pis, t'as pas compris, on rose les paris. Pour cela, le tout est arbitré depuis Paris, Washington. Pas téléphone, pas fax ou par internet. Les marionnettes noires, ça rapporte gros. T'as qu'à tout trouver qui rêve de diriger sur le bingo. Aussi, je rappelle qu'ici le Nintendo, pour les bambinos, n'est pas virtuel, mais belle, bien réel. La bel rebelle, content de tuer pour s'en suivre depuis un an. Il n'a que 15 ans, il a côtoyé l'horreur. Vu son père, sa mère, et sa sœur, mourir victime d'une mine de faim. Affaire est devenue son quotidien. Le bien réel de son calepin passe son temps bienfaiteur, un vieux assassin. La malnutrition a guéri, a fait d'appel un guerrier, prêt à tué, sans pitié pour lui, tu vois. Ils sont des milliers à être ainsi manipulés impunément sur le continent noir. À terre, mais à terre, mais à terre. Tu vas nous sauver, Africain, fait trop pitié. Yeah, ouais, tu vas nous sauver, Africain, fait trop pitié. Yeah. On est trop fatigué, vraiment on va se oui, DSD euh, est un pionnier du rap euh, au Niger à travers ce titre qui va nous sauver. Il souligne les menaces qui pèsent sur l'harmonie de la vie des peuples africains, notamment euh, le menace de l'insécurité persistante en Afrique. Sinon, ça, c'est du lourd. Un bon texte, une bonne musique, mais aussi un cri poignant contre l'injustice. Desi utilise son art pour susciter la réflexion et encourager les changements dans la société. Synonyme synonymes de danger. La Casamance, la violence, où tout et la tension pour pour village de Une Le immense divine, notre capitale en clan posé d'un côté la ninja, de l'autre côté le cobra. Et c'est parti pour les bras de fer. Pour les fans, sans excursion à faire. Mais qu'arrive-t-il à la terre-mère Y a-t-il un médecin pour sauver la terre-mère, terre-mère, Qui va nous sauver Afrique, fait trop pitié, Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Qui va nous sauver de l'artiste DSD. Je rappelle que DSD, c'est un l'un des anciens euh, rappeurs euh, du mouvement hip-hop euh, au Niger. Il est 11 heures passées de 30 minutes. Si vous venez de nous prendre en cours, pas d'inquiétude, vous pouvez réécouter ce contenu sur notre site web le www.studiocalangou.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Et oui, Rabi. Voilà, et sinon, c'est justement le moment pour nous de prendre la route pour Difa, plus précisément à Gagala, qui est un village fondé en 2015 pour cause d'insécurité. Il est situé à environ 10 km de la ville de Gingimi, Seno. Ah, on s'en mêle un peu les pinceaux, Seno. Ah oui, là c'est plutôt le sport, Rabi. <laughs> c'est l'heure du sport et voilà, nous sommes euh, avec notre euh, chroniqueur sportif. Il s'agit de Adam Sariou. Adam, euh, bonjour. Bonjour, c'est nous. La forme Oui, ça va, ça se passe bien. Super. Alors, avant de plonger dans la canne, parlons d'abord du championnat national de la Super League. Eh bien, hier, la onzième journée s'est achevée après la rencontre au stade municipal de Niamey entre Renaissance Bukoti et Espoir FC de Zender. Un match qui s'est soldé par la victoire des Rouges et Blancs du Damagaram sur le score de 3 buts à 1. Alors, quel est le classement général, Adam Deux équipes au podium, à savoir l'association sportive des électriciens, l'AS Nigelec, et l'association sportive des forces armées nigériennes avec 23 points chacun. L'union sportive de la gendarmerie vient juste derrière avec 3 points. Et, et autant pour moi, l'union sportive de la gendarmerie vient juste derrière Troisième avec 21 points. En bas de tableau, nous avons Liberté FC avec 9 points, Ice Police avec 6 points et pour terminer, Akokana avec 5 points. Envolons-nous à présent pour euh, la Côte d'Ivoire. Adam, la canne suit son cours. Revenons aux rencontres d'hier. Eh bien, hier, les étalons du Burkina Faso se sont imposés contre la Mauritanie suite à un but tardif sur penalty transformé par Bertrand Traoré à la 96e minute de jeu la Tunisie s'est faite piéger par la Namibie qui signe un succès historique dans la Cannes, victoire 1 à 0. Et bien sûr, la victoire du Mali, 2 buts à 0 face à l'Afrique du Sud. Le Niger n'est pas représenté par son équipe de football Adam à la Coupe d'Afrique des Nations, mais les fils du pays y participent. En effet, il s'agit de Hassan Chebou, alias SOS Shooting, un jeune photographe nigérien qui est à Abidjan au cœur de la Cannes. Je vous propose de l'écouter. Je travaille pour la CAF par le biais de la FENIFOOT parce que faut savoir que la FENIFOOT, euh, quand il y a des grandes activités euh, de la CAF, les fédérations de chaque pays aussi doivent euh, envoyer des représentants et que des médias doivent assister au nom de la fédération du pays. C'est que moi je fais. Je pas travailler pour le SE shooting parce que c'est le SE shooting qui fait la photo, qui fait les postings, mais la fédération joue son rôle derrière. Surtout que nous on a la chance d'avoir le président de la Fédération du Niger qui est membre exécutif de la CAF, donc euh, ça a été très facile en fait. Ce que j'ai à dire euh, aux autres photographes, c'est d'oser vraiment et de ne pas s'arrêter à apprendre parce que la photo, on ne finit pas d'apprendre. Alors Adam, revenons à présent au programme d'aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, il y aura le match entre Maroc contre la, Maroc contre la Tanzanie à 18h et celui de la République démocratique du Congo contre la Zambie à 21h. C'est la fin de cette chronique. À demain pour un autre numéro. Merci, infiniment. Adam. À bientôt. Alors, si vous êtes de passage ou résident à Gingimi dans la région de Difa, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangu sur la radio d'Ileram 99 MHz. Et justement, nous prenons la route pour Difa, plus précisément à Gagala, qui est un village fondé euh, en 2015 pour euh, cause d'insécurité. Il est situé à environ 10 km de la ville de Ingengimi. Eh bien, tenez-vous bien, là-bas, le chef de village est une femme. En la personne de Aïssa Umoru, elle a 40 ans. Elle explique les défis auxquels son village est confronté. Ni ne Aisa, shugaban al'umma ga gala. kuma yankin Jinjime. na da Jinjime kilo goma sha biyu a jiha Difa. Ya aka ji da jagoranci? To jagoranci alhamdulillah. Ko za ki iya mana karin bayani ya aka yi kika zo wannan matsayi na shugaban garin Gagala? Lokacin muka fara karkara wannan muna biye biye dai kamar yau mu ji shan ana yi taimako mu je ba a kallon mu. Kai na gani abun na ji takanci na ce al'umma su ma ba a yi fesu da aka yi da shi su ma na ma suka yi na ce to ku zo mu haɗa kai muka haɗa kai mu mata da maza na ce wa zai iya kowa ya ce to bisimila. na je meri na ce gashi gashi na yi dose na je plan na je wajen firife muka zamna muka aje kes na je na tambaya ka'ida kes duka aka gaya mini na ɗauka ka'ida ni ne na yi jagora ina zuwa yau a kira ni nan farmaso gobe a kira ni nan na ɗaure tsotsona da aka yi rigima wannan na harakan bokon hara al'umma suna gudu suna zo gari gare ni sai in je in ce ma perefe gashi mutane sai in ce to ku zamna haka na rike al'umma to madalla kaman menene yanzu sana'an al'umman garin gagala ne menene aikin su aikin su yanzu babu tun da bokon haram ya koro su suka kakkashe musu mutane da suna je suna yi ice suna yi kiwo suna yi noma kaman kuna da al'umma dubu nawa yanzu haka a cikin wannan gari naku na gagala mutane dubu goma sha shidda da ɗari bakwai da mutane shida gare ne to ya bangaren kiwon lahiya lafiya? To alhamdulillah likitoci sun kula yanzu na shiga gashi abunda da yana faruwa ko tinini su masassara da guje za ku zo su tarbe ni su major wajen hospital suna gudu da likita ba iyaka suna guje-guje bisa mu. Ya kuma bangaren ilimi kamar yanzu zaki iya gaya mana adadin makarantu da suke garin Gagala. Muna da makarantu kamar biyar akwai na yaƙil da jahilci kamar na manya zuwa yaro shekara goma sha takwas. Muna da kuma na lukul fudu. Ya bangaren kuma abin da ya shahi ruwa misali. To ruwa alhamdulillah ruwa ma muna da ruwa. Sai isayar ya samu na ruwa. Su atte sun taimaka duka dai alhamdulillah. To a matsayin ki na shugaba ya kike kokarin kashe wannan matsala da ke tsakanin al'umman ki na Fulani da kuma yan uwa Larabawa. Abun mun gani a guje to iya karfin mu muna kai wajen firefe wajen su sarki. Su ne suna zo su shiga tsakani. Ya bangaren abin da ya shahi tsaro. Saboda Allah tsaro wannan a wurin mu ya barbare. Yanzu haka mutane na nan saura ba su kuna gida. Akwai wani mataki da gwamnati ya dauka a kai? Oh, gwamnati kullum yana ce yana kawo soja yana kawo ba mu gani ba har yanzu muna nan cikin fargaba. Ina roƙon gwamnati su ji tausin mu. To in mun bari gari mu babu inda za mu je mu tsuguna. Yanzu a matsayin ki na mace ya kike yin kokarin haɗa kanun 'yan gagala misali 'yan garin ki? Alhamdulillah yanzu na a je a kiro su ne da guje suna zo babu namiji babu mashe. ina gode musu Allah ya saka musu alheri ni babu wanda mutumin da ya bani baya. baya abun na na shi ayi to in fari fari ne to in bagi bagi ne ba taba ba a guje mini yanzu haka ko prefe ya kira ni ko mere ya ce akwai taro to kamakin su zoma mutane a hadi kawai abun da ya kawo su za su yi ba mu taba ba su zo su jira mutane na mata akwai haɗin kai maza akwai haɗin kai. to kamar yanzu ne matsaloli da suka fi damun ku a garin gagala ne aisa. mu dai matsaloli da suka fi damun mu tsoro wannan da muke na bokon haram shine yana damun mu gashi mun gani mata nawa aka kashe a gaban mu har yanzu na ma da ina magana suna difa suna jinya an kashe namiji an kashe mace a gaban mu aka yi wannan abu mun gani a idanu an kashe mutane wajen 42 yara an maida su marayu C'était le reportage région depuis Gagala dans le département de Gingimi. On se détend un peu et on se reprend juste après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. chers auditeurs, découvrons à présent le portrait d'aujourd'hui, c'est nous. Oui, Rabi, le portrait d'aujourd'hui fait lumière sur Lawali Ghazali, un jeune cinéaste nigérien de 28 ans. Il dirige la maison de production Legendary Movie. Ismaël Amadou Haruna a rencontré Ghazali à dans cette séquence du film Aisha en langue Hausa, les acteurs jouent une scène de harcèlement sexuel. Lawali Ghazali rêve grand. Il veut hisser haut le drapeau du Niger en participant à des festivals. Ghazali compte ainsi influencer les jeunes cinéastes de sa génération. Cependant, l'industrie cinématographique s'avère assez exigeante. Des obstacles bloquent la réalisation de ses projets les difficultés, c'est le manque d'appui financier, quoi. Parce que tu es obligé de le faire dans ta propre, c'est pas comme un clip vidéo. Kalissi Maiga, actrice principale dans le film Aïcha, apprécie la collaboration du jeune réalisateur. Elle souligne en particulier les qualités de visionnaire de celui qu'elle appelle respectueusement Wali. J'ai travaillé avec Wali sur deux projets. On a bien travaillé. J'ai pas eu de problème avec lui parce que c'est une personne qui est aussi beaucoup, beaucoup dynamique, qui prend au sérieux pour Lamiatou Jibril Namata, cinéphile et fan, le cinéaste Lawali Ghazali a mis les pieds dans le plat. Les sujets développés dans ses créations collent aux réalités quotidiennes des Nigériens. Le film Echa, c'est une dinguerie, c'est un truc de Ça reflète la réalité de nos jours, fait. Franchement, pour ce film, je te dis chapeau. <laughs> <laughs> J'ai vraiment aimé. Le budget de 2022 avait attribué moins de 3% au domaine de la culture, ce qui pousse Lawal Ghazali à affirmer que l'État nigérien n'accorde pas d'importance à l'industrie du cinéma. Il faut dire après tout, le cinéma n'est pas un métier du tout facile à interpréter, surtout au Niger, franchement. Déjà, l'idée c'est de vraiment pas compter sur le gouvernement ni sur personne d'autre. Lawali Ghazali ne se laisse pas dompter par l'absence des financements publics. Après Cœur Dompté 1 en 2020, le PDG de Légendrie Movie réalise et produit son deuxième court-métrage Amana. Il enchaîne avec son premier long métrage Cœur Dompté 2, la suite de l'histoire de son premier court métrage, soulignant qu'il tourne une partie du film à Istanbul en Turquie. Série sur le gâteau, le public nigérien se bouscule dans les salles de Niamey. Boosté par l'accueil des cinéphiles, Lawal Ghazali réalise et produit Aisha, un nouveau court métrage sorti en novembre 2023 un portrait cinématographique signé Ismaël Amadou Harouna, un de nos stagiaires. Et maintenant, voici pour vous Sans emploi de l'artiste Danili. C'est le titre, c'est le dernier titre de notre playlist de ce mercredi 17 janvier.

Une fois élu, voilà l'idée. Ils n'ont plus le time de régler nos blés. Quelle est la de la part des partisans de Babylone Ok, ok, ok. Yaman, y'a trop de diplômés sans emploi qui veulent oui, Danili, euh, véritable vétéran du hip-hop euh, nigérien, ce dernier donne une voix poignante aux réalités euh, des jeunes Africains dans le dont hein, ils se retrouvent sans emploi. Voilà, sa musique reflète la dure réalité vécue par beaucoup d'entre nous, c'est nous. Exactement. Rien pour calmer le voit, une Quand tu te à la télévision, c'est les mêmes les mêmes les mêmes Tiens des discours bidons, des marchands d'illusions, tu dois en tête d'affiche. Conservant la sueur de toute une peuplade, les coffres, les comptes en Suisse. Pendant que ma jeunesse fait son tam de la vis. Pendant que dans les hôpitaux, les gosses naissent, à nourrissent. Pendant que les habitants des bas-fonds de le précipice. Ils sont volants des grosses caisses à fumer des cigares. Voilà, c'était le titre Sans emploi de euh, Danili Seno c'est nous de quoi parle Loti d'aujourd'hui oui, dans la rubrique Loti de ce jour, les femmes euh, du studio Kalangu touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Le vol à l'arraché, le vol à domicile, le braquage en plein jour sont autant de pratiques qui inquiètent la population de Niamey. Écoutons Rukayatou Abraman et Rekia Arimi. Lottie, Lotsi. Lotsi. Lotsi. Lotsi. Lotsi. Lotsi. zambar fo zambar hinka zambar wai zambar wai kin da fo aifo fo biba mata ga ham ban samai walla mata ham ai kyora mata zan kai samai dai no zan kai girkoi sabu ai kyoro ifa ga dunin ni goga diga nor kab fanda ai bonwo hal tambala no ni wa hmm, <laughs> ai kyora ai ba mu am te tambala nor mo bu sonda ne fatta bankora jama foduma ai muka tare gaino noro kabu bor su diyai ai koi beri ayya ni hayawo gai dan burandi ya gani wani diyan woga tarai a bisa bankora harai lakkal kanai haya hayawo funnise he haya kai te gwanda mana fa haya kai te gwanda mana hankan ni sibai han foyan bankai rabun boda no zai gika imkate sangin gai kagunor sombolin gai kagunor gisi gunu borkan no kagunor son wadin banda im koi gubara kom mayno jinganan din noru miskina yo imine yadin bumbono ara harin na kalga kaniga bisa tarai fandabo somo kan ni goga di igoga di borai ha mai gazuru ni wani ka fanda ibon gin bon kebe hmm. ai kara zai tarai fodum no wadin koyi so haya misa walla gubor humbrani son zaye bumbo da no gubor ha mai ga koyi duboro hmm. ni lakkal kanandi nisinai sai ya ni wani sin da labari kan video din kan goga digi windi zamani albahari zaban yan daira kan kamera da surveillance fo sambu gake bi kam izu futu yan kango poporobo ikoi gawai borfo hamne ga sako ta ga zuru ne nyame mai haya wala go humburandi zari kware zari kware choro he haya son o manti banya mai no fa niger me aminu ai mis sanno ku kandinsi an dunya kulno koi ne mu hay follonno nim hagwai nim hagwai dingo ga windi fandai bon nim ni kul fere nim lakkalai dan nan kan ni ce dan ba dindi haifo bazan ka kai nanu kan niman yardan da alhaloga fanda barmai ke kinan kan jamago ha ai kira ban kun banda kira banda ai sai gunor ka fondi gindaga hey son bumboda ai su koi non kulu ta ai kwar boro walai wani armadin no gai bande mai cinga nige bai me matka yi gobali kasanda da zai ba mu bangin mane ga aga la sabu sor hin kala ganin zama ne very kero wadin wa hari hannu no wanga amma kero nan kulkan niga kwaino igi hingin gana ingai bombo gwanda haiki ga temi wala man ta ha ah, wane kim san no niga kimiya he go kai hi te dai ai ma hagwai dai bon ai bai nan kai kai kwanda ai ai ga hagwai dai bon gumo ma dalla charo ni faham ni di sun ba ni no kan goni sai ni ga koi gadan kamera da surveillance me kyaro hai um musu ne niga janga bayan wasu bugne niga donda ai wal gaiwo <laughs> ai ga baino kero wai bagar ni wana kwantara noro bar mai me <laughs> to ayya dai ke misi know din ni noro san kai ban kora ni ma kabu kalam bori min fatta ai mai fa mai kara ifa mal barka da ni amin Abdraman et Rakia Arimi pour le loti du jour. C'est nous. Oui, on va continuer cette fois-ci avec la culture linguistique, Cher auditeur, le mission le Niger sur Kalangu. C'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, c'est Moussa Hassan qui nous vient avec le mot dialogue. C'est le mot de la semaine. Bonjour Rabi, bonjour Seno. Bonjour. effectivement, je suis là avec euh, le mot du jour qui est le dialogue. Ça a été de long à large expliqué en français depuis avant-hier, hier. Aujourd'hui, je veux revenir là-dessus, mais beaucoup plus en Zarma, effectivement. Okay. Dialogue Zarmchiniga c'est se dénigé Salanget Chermera. De Bourgba Al-Umara, ni mu faham, ni mu faham, ni se kalanda, ni mu salanda, ni winda tabore. Alandem dem Salanget Chermera, a fo kulum ba ifo no go nga hangi sinodo. dialogue sanda, sawornoya. noya. yadin ga harino kan gini gite borhinka borfo wala borhinka gamara wala mu borfo di jama gamara wala mu jama nga di cara gamara sirman kaina salange tsir mera yangodin a gini gite lakkal sanni harikan wanda mana beri karan gite lakkal ga a gini gite mu zarma harai wani zan sawar fa yangon kan borega haruga teno nigidi sande fa yanga ka kan nigdi basare no borega danki ne haribon in problem resolve ima sanda kan gonde ima bonza hare ra kan sinda dayo afon mu gonu ka daran ka go lakal bon mos moso bore mu di cere aram du charbandi yadin no sawade ni kan bore gite mu chefo me de meno igati agin gite mu hantum gano bore kan im ka go cere mo do din har yanga ganji magai moru cere wala haifo de ganji im ka goro cere jar gagati igin ga hantum kitan si. wodi ngamu agate wanu wan son zaman si sire waza pay dinga ni gan tum ciase mun du cerbande aram fam di ceri ya nomu ageni gite lakkatu ne wani sirgo par exemple eh, silman kain alhali la kan nan fongo lakkatu ne be no gono ya dinga anan sinin du cerbande matkan cina aran gabadin lakkatu ne misfura na rango aran wasu wasi kan aran bo lakkale si aran ga arawin dan tabure mu ila kal sharan dole a ga teke ha kuma ibo adin ga wodin mu a gono ilmu ne dai kan wafu kai wo misifo a bonzen kekiyan no wala ni mu ceci min faham im faham dini wani bu moni ba ni faham da misifo dole ka darasa ke cermera kalar mu wafu kai ceci to musa merci voilà euh, merci Moussa vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires dans le pays écoutons quelques-uns des réactions de nos auditeurs à l'occasion des huit ans du studio Kalangu et oui huit ans déjà vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Alej Ibrahim Gahila. mai garin Binikan. To ina kuma bin gidan rediyon mu na Rufai wannan don cikin shi nake samun labarin studio Kalangu da yake kullum suna sawa emission kin da duka studio Kalangu suka yi. Don in saurare su ina ji suna magana bisa kai ga dukkan halussan da mahi yawan su da muke da sunan na wannan ma yana birge mu kwarai da yake duk wani harshe kake da shi kake ji kana shi amsa an bada labarai bisa gare shi to kuma babban abin da yake kawatar da ni suna lura da yanayi na lokaci kamar ma'ana ina nufi inda mana ta zo suna bada labaru bisa ga haraka kwanciyar hankali tsakanin manoma da makiyaya to wanda yake interest na kenan kwarai saboda yana kira ga manoman da makiyaya yana tunatar da su ga azamna lafiya eh to abin da nake fata a gaba kawai ina fatan su Allah ya ƙara musu nasara su ƙara bunƙasa lokacin da yake wani lokaci an ɗauko emission kana ta jin daɗin ta ɗan lokacin minti goma ne ko sha biyar sai ga ƙare to ina fatan ya zama to an ɗan ƙara ma wadda aka ga tana da muhimmanci a lokacin ta shi zama an ƙara mata ɗan lokaci. Ni ne Alhaji Yahya Usman Butiye a nan Filinge. ga harka radio Kalangu gaskiya mu masauraran shi ne sosai. kuma muna amfani da shi muna jin daɗin shirye-shiryen su mafi yawa da yake ana yin su duka da harsunan da ni ina jin su duk gaba ɗaya kamar wajen labarun gida dai muna jin daɗin su don waɗansu abubuwa da ba mu samu sai da radiyon ƙasashen waje to su gare su muna jin shi faɗin duk irin ababen da ke faruwa cikin ƙasa ya kamata su ƙara lokaci shi ɗan ƙaru shi zamanto lokacin yana iya ɗauka kowane halshe yana ganin zuminti goma sha biyar na shiga su kai ko talatin talatin domin su samu waɗansu sarawan shirye-shirye su ƙara har da ma shirye-shirye na musulmanci ma su riƙa taɓo da farko dai suna na alasan sayedi wanda an kai san da alasan tayar eh, to kuma game da shirye shirye studio kalangu ai sai dai mu ce alhamdulillah kawai saboda studio kalangu zakko wata ta ɗebe muna kewa fiye da dukkanin yadda mutum da tunani musamman kuma tana aiki da radiyon mu na garinmu mu muryar talaka jai saboda ka gani suna ba da labaru muna saurare na duniya da na gida kuma suna shirye-shirye kama da na matasa ina ganin shine na kyan fadan nan mu haɗu a fada da dukkanin saura matasa da suka gayyatowa game da tambayoyi da suka yi musu game da ayyukansu da kuma wani lokaci suna shiri bisa kai da iya mata koko da yara ma masu shan nono hakan ga ko kuma wani lokaci ma kana shin dai shirye-shirye kusan ma sai mu ce ma ya a kilga to saboda haka muna godiya da studio kalangu kwarai da gaske saboda ta waye muna kai zakkwata dole dai mutum ga ya saba da sauraron labaru studio kalangu bai iya zama bai saurare su godiya nake studio kalangu farko dai suna na mamman lawala andre wanda aka yi sani da magudi a nan garin arlit radio kalangu musamman akwai shirye-shirye da suke yi na sunayen shi da hausa sunayen shi da buzanci wajen harkar zamantakewa na ɗa namiji tsakanin shi da ya mace suna shi da harshen buzanci suna shi da harshen hausa wannan musamman yana wayewa mutane kai game da aje in za a aure aje a ɗauki jini a ga menene in kuma zama ma kuke yi da ya mace Allah kiyaye a san irin zaman da ake yi saboda a kare tsakanin juna saboda akwai rashin lafiya da ke ta zamanin da ta yawa wannan yana bin shi sau da kawa yanzu a wani lokaci da suka kawo na game da zamantakewar arme tsakanin mace da namiji wani irin zama ne ake yi wanda za a daren da juna a ga mutuncin juna a zamana kuma lahiya cikin tsare-tsarenta da shirye-shiryenta da take banga na yaddawa ba sunana da abdullahi bubakar anan karce data arlit cido kalangu muna musu barka da anniversary su na shekara takwas eh, gaskiya cido kalangu shirye-shiryenta suna kayatar da mu duk emission kin da dai ka aje hankali ka saurara na studio kalangu ka samu karuwa ga na waye ma matasa kai saman sana'a hannu saman shaye-shaye wannan ai akwai ci gaba to mu dai shirin da muke so ta ƙara mishi ƙarfin gwiwa ba shiri ka wannan matasa saman matasa su dage ga neman ba dole ba su ce sai sun dogara ga gwamnati dogara da kansu na biyun kuma shine shi ma saman matasa dai saman harkar shaye-shaye ƙara mana ƙarfin gwiwa ta ƙara sensibilization ana waye ma matasa da kai. Ciro Kalangu na samu amfani sosai da ita tunda ina sauraron ta kamar wajen la'asar haka kuwa ina sauraron ta sosai da sosai bisa labarun da take ko ina na jaha jaha da na labarun kasa duka da har na ketare ma kuma ina ci gaba da saurare kuma ina karuwa da su kuwa so tu bisa kai ga harakan matasa wannan da suke yi. Sunana Abdu Ibrahim gaskiya Kalangu ta kama canji da yawa da dama muna yawan sauraron ta yau da gobe kun tana ci gaba kwarai akan harkokin yada ta ya kamata a ce mata ƙara lokuntuka da dama wannan sauraron wannan kiji muna farin ciki kwarai da gaske. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Ici prend fin euh, notre émission de ce mercredi 17 janvier 2024. Vous étiez en compagnie de Rabi Meikano et moi-même Ali Munkela Ousseini. On se dit à 17h pour notre programme de 2h qui débutera avec la grande édition du soir. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. Bye bye. bye. Il est temps. Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. ala fetna rodna wattay ko yeesi barkaji moɗon e woncagol hitane jama'a barkamu da sabuwar shekara Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.